chers euh, auditeurs, euh, bonsoir. C'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques de débat et de dialogue sur des questions d'actualité et de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique composé de 52 radios partenaires émettant dans toutes les huit régions du Niger flambée des prix des produits de première nécessité au Niger, comment y remédier est notre thème de ce soir. Depuis quelques semaines, les consommateurs nigériens se plaignent de la cherté des produits de première nécessité. Presque tout est cher en cette période où les fidèles musulmans s'apprêtent à débuter le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui est à la base de cette cherté des produits de grande consommation Quelles sont les attentes des consommateurs face à cette situation Que fait le gouvernement nigérien pour atténuer la souffrance des consommateurs. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio El Haji Dan Maradi Yakoubou. Il est le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Nigerien. Président, bonsoir. Et bienvenue au studio Kalangou. Merci. Nous avons en ligne euh, au téléphone Maman Nouri. Il est le président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous vous informons que nous avons par ailleurs euh, invité à ce forum le ministère euh, du Commerce euh, qui n'a pas répondu à notre invitation. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Selon une communication du ministre du Commerce faite en Conseil des ministres le 24 février 2022, les prix des produits alimentaires de grande consommation ont considérablement augmenté sur les marchés comparativement à ceux observés au dernier trimestre de l'année 2021. Une évolution de près de 10% en un an, précise le ministère du Commerce. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord les avis de quelques consommateurs recueillis à Maradi par notre correspondant Mohamed Maman. Nous traversons une période marquée par un problème crucial d'argent, alors que les gens veulent satisfaire leurs besoins quotidiens. Vraiment, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, pas de vivre. Il y a très peu de gens qui sont à l'aise. Ceux qui souffrent constituent la grande majorité. Présentement, le prix du bidon de 25 litres d'huile du Nord avoisine les 27 000, 30 000 francs CFA et le litre d'huile d'arachide coûte 1000 francs. Comment faire alors D'un autre côté, les gens se plaignent de la cherté du prix de l'essence. Cela veut dire que si tu n'as pas l'argent pour acheter ce carburant, tu es obligé de garer ton moyen de locomotion. Avec le mois béni de Ramadan qui s'annonce, les prix des produits doivent normalement être revus à la baisse. Qu'ils le fassent à cause de Dieu et ils seront récompensés. C'était donc le euh, les de cœur euh, de quelques consommateurs euh, nigériens dans la région de Maradi, propos recueillis par Mohamed Mamana. Monsieur le Président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, Elagi Yakubu Damaradi, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette situation que nous connaissons en ce moment euh, Je vous remercie, euh, Monsieur Michel, et je remercie aussi euh, vos auditeurs. Permettez-moi de faire une petite genèse, mhm. puisque <clears throat> vous savez, les causes donc, qui nous ont conduits à cette fureté aujourd'hui, elles sont multiples. Mhm. Elles sont d'abord endogènes mhm. et elles sont en même temps exogènes. Donc, ça veut dire y a des raisons internes et, des, raisons, externes, Voilà. Mhm. Donc les causes qui sont internes, mhm. donc euh, c'est les causes qui sont liées à la manière mhm. par laquelle nous avons géré l'affaire de la Covid. Vous savez, à partir d'un moment, il fallait attendre, il fallait aller euh, suspendre, euh, faire l'état de lieu, voir en fait qu'est-ce qui nous impacte réellement et voir est-ce que on devrait continuer à suivre est-ce qu'on devrait prendre une autre piste ou bien qu'est-ce qu'on devrait faire On ne l'a pas fait en ce moment-là. Malgré que nous avons vu quand même euh, avec le temps que le Covid a beaucoup plus impacté donc les, États européens que nous. Mhm. Mais nous nous sommes comportés presque de la même façon. Donc il y a la gestion de la Covid qui a asphyxié l'économie. Ça c'est sûr et certain. Mhm. En dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres... Vous savez, euh, à l'interne, mhm. parce que même ça, ça a, deux causes. L'impact de COVID, COVID aussi à deux causes. Mhm. La cause euh, euh, donc endogène, c'est la cause qui fait que on n'a pas pu voyager, ça c'est un. Mhm. Donc euh, on ne pouvait pas se regrouper. Mhm. Vous voyez Donc les services ne fonctionnaient pas correctement. Donc ici à notre niveau. Et quand vous prenez aussi l'autre côté exogène, donc où nous partons nous approvisionner, donc les gens, les, comment on appelle ça là, les sociétés, mhm. vraiment, elles n'ont pas fonctionné à plein temps. Ah, il y a des moments où les sociétés, certaines sociétés étaient carrément fermées. Mhm. Ou alors même si elles fonctionnaient, elles fonctionnaient au ralenti, mhm. au strict minimum. Vous voyez Et ça, quelles que soient les sociétés, y compris les sociétés de transport, les transports maritimes. Donc ça, vraiment, ça a créé, ça a déstabilisé donc euh, la structure même marchande au niveau international et national. Mhm. Donc, il y a le problème d'insécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été vraiment impactés par ce phénomène. Ça fait que donc il y a eu une réduction drastique de la production. Et ça, ce mhm. n'est pas seulement que au niveau du Niger, c'est mhm. au niveau aussi des, des autres pays frontaliers. Vous savez que nous échangeons quand même avec les autres pays. Donc, il y a des euh, certains produits que nous, nous produisons quand même à une certaine quantité, après avoir prélevé ce que nous consommons, donc le reste, on l'envoie à l'extérieur. Et mhm. ainsi de suite. Nous aussi, quelquefois, nous approvisionnons euh, auprès de ces pays-là. Donc, nous avons tous été impactés par le mhm. problème sécuritaire. Mhm. Et malheureusement, il y a un autre facteur aujourd'hui aussi qui est là, c'est le problème de la guerre en Russie. Ou qui est un facteur international. Oui. On a vu par exemple le blé, la production, le transport de vous, marchandises, euh, ça a impacté négativement. Quand on parle euh, du blé, on ne mhm. voit que le blé en tant que grain. Mhm. Non, mais on ne voit pas tout ce qu'on transforme avec le blé. Parce que les Blancs, quand ils l'achètent, mhm. c'est eux qui sont nos premiers partenaires. Donc, eux, ils, vont, ils transforment ce blé-là. Ils font des pâtes alimentaires. Donc, que nous, nous partons acheter avec eux. Vous voyez Donc, une fois que ce blé-là et rupture là-bas chez eux, donc ça fait grimper les prix. Mm-hmm. Et, nous, c'est euh, le blé transformé que nous allons acheter. Mm-hmm. Mm, la, farine. La farine, par, mm-hmm. exemple. Et même les pâtes alimentaires, je vous dis. voyez Donc c'est ce qui a fait que donc, euh, toutes ces choses conjuguées ont fait que vraiment les prix des différentes d'arrêts euh, denrées alimentaires, surtout, vraiment, se sont envolés. Et il y a aussi, ne l'oublions pas, les réformes. Parce que vous savez, on parle de réforme aujourd'hui chez nous, mais c'est bien de réformer, c'est très bon de réformer. Mais malheureusement, c'est notre façon de réformer qui n'est pas bonne. Mhm. Ça, je le dis et je le répète. La, facture certifiée qui a été récemment donc euh, instituée par la DGI, la Direction générale euh, des impôts. C'est vrai, vous avez eu à le préciser. En février 2022, le prix du pain a connu une augmentation dans certaines boulangeries de la capitale et à l'intérieur du pays. Le prix de la tonne de la farine de blé en passé de 300 000 à presque 500 000 francs CFA. Monsieur président de l'Association de défense des droits des consommateurs, ADDC Ouadata, est-ce que cette euh, cherté des produits de grande consommation en cette période concerne l'ensemble du pays Merci beaucoup. de débat sur la vie chère est une réalité partout au Niger. au-delà du Niger, une réalité régionale, sinon mondiale. Rien que la semaine dernière, nous avons fait le point entre organisations de consommateurs de la région ouest africaine et Afrique du Centre. Mhm. Et il se trouve que partout, la flambée de prix sur les produits de première nécessité, en tout cas, elle est très remarquable. Mhm et eh, elle concerne des produits importés tout comme des produits locaux. Je prends un exemple. L'huile, qui semble être fabriquée en Côte d'Ivoire. La mhm. Là-bas, a augmenté. Le maïs, a augmenté. Le savon, a augmenté. Mais l'augmentation est proportionnelle, du moins c'est le relatif des États. Mhm. Les États de l'internat souffrent beaucoup plus que les États qui ont des débouchés de verre. Mhm. Ça, c'est une réalité. Ça, il y a le coût de frais. Il y a aussi les questions de, euh, en tout cas, de, faux frais qui, sont là-dedans. Mais partout, en tout cas, la vie est chère. Ça ne parle aucun pays. Quand vous prenez le mille, présentement ici en Niamey, la TIA, elle est à 800 francs. Mhm. cette Dans certaines localités, elle coûte 1000 francs, 1100 francs. Donc, quand vous prenez fois au-delà baisse, ça coûte autour de 1000 francs. Alors, euh, quand vous prenez par exemple l'huile, l'huile, le litre, présentement sur le marché coûte 1200 francs. Hmm. Dans cette localités, ça atteint 1300 francs. Donc, c'est un problème généralisé. La de vie, partout, partout ici au Niger. Maradi a déjà parlé des causes euh, internes et externes. Est-ce que vous avez d'autres éléments importants par rapport euh, à ces causes euh, de la cherté de ces produits de grande consommation au Niger Moi, je crois qu'il faut faire un petit rappel. L'année passée, à pareil moment, les produits de première nécessité ont commencé à être chers, particulièrement en ce qui concerne le maïs, le riz, le, le mil, le sorgho. Il vous souviendrez, c'est presque à ce même moment que le Burkina Faso et le Mali ont interdit la sortie de ces produits-là de chez eux. Alors, jusqu'au mois de septembre, les prix ont commencé à chuter liés à la sortie des nouvelles récoltes. Donc, on a connu un apaisement jusqu'en fin novembre, mi-décembre. Et à partir de décembre, de la dernière quinzaine du mois de décembre, les prix ont commencé à augmenter. Et là, ça a concerné non seulement les produits céréaliers, mais aussi ça a concerné les produits que nous importons, notamment la question de l'huile de palme, la question de la farine de blé, hum. la question du sucre et bien entendu d'autres produits. Donc, il y a cet héritage-là qu'on a fait. Donc, les raisons, l'héritage d'abord de la charité, ensuite le déficit céréalier, en dehors de ces déficits je crois que Tamaradi a cité la question de l'insécurité. Mais aussi, il y a la question de l'imprudence politique, surtout aux événements qu'on a connus dans d'autres pays et les sanctions qui ont été imposées. Et du coup, la fermeture de frontières au niveau de ces États a encore accentué le problème de la circulation, en tout cas des biens particulièrement. Et ces États, quand vous prenez le Mali, le Burkina Faso, ils ont carrément interdit la sortie de certains produits, de certains produits consommés au Niger. Le maïs, le sorgho et le mil. En dehors de ça, je crois que Tamaradi a un peu effleuré la question de la fiscalité quand il parle de réforme. La fiscalité en a aussi une des raisons. Mhm. Parce que c'est au moment où on est encore en difficulté qu'on fait qu'on engage certaines réformes. Je crois que ce n'est pas opportun. Notamment la réforme de la facture certifiée qui concerne la TVA La réforme de la facture certifiée, mais aussi il y, en a d'autres réformes qui étaient là, qui malheureusement, euh, en tout cas, ont accentué la question de la TVA généralisée à presque tous les produits, particulièrement les produits de première nécessité. Mhm. Monsieur le Président, on voit bien qu'il y a donc euh, plusieurs causes euh, à cette cherté, mais quel est l'impact sur le quotidien des consommateurs Eh bien, l'impact, c'est quoi Ce produit, plus c'est cher, plus en tout cas c'est pas accessible aux, petit petits consommateurs. Peut-être celui qui a un peu la poche pleine ne va pas beaucoup sentir, mais ce qui sur lui aussi, il va sentir le coût, l'augmentation du prix. Mhm. Et il n'existe pas une personne dans ce pays qui n'a pas remarqué que les prix ont flambé. Il n'existe pas une personne. Raison pour laquelle certainement le gouvernement, euh, donc il a, a, pensé à faire le diagnostic lui-même et le gouvernement a constaté ça. Mais sinon, il n'existe pas une personne dans ce pays qui n'a pas constaté cette flambée. Regardez le, bidon de litre d'huile qui a passé de 10 000 francs à 27 000 francs. Presque le double. C'est en tout cas très remarquable. C'est très sensible. Le pain qui a, qui a brusquement augmenté, de, en tout cas une augmentation de l'ordre de 50 francs à 75 francs, voire 100 francs. Parce que Présentement, sur le marché de Miami, le tiers de, la baguette du pain ça se vend à, 100 francs. Donc, il n'existe pas un produit qui n'a pas augmenté. Car même le prix de légumes, on a constaté que cette année, il y a, en tout cas, par rapport à la production, si on doit comparer à l'année dernière, même la production a baissé et du coup, ce qu'on a en termes de quantité avec 500 francs l'année dernière est moindre par rapport à cette année. Hum. Donc, pratiquement, on dirait une malédiction. C'est vraiment déplorable. Euh, en tout cas, tous les produits coûtent cher. Mhm. Il faut euh, justement rappeler que face à cette situation, le gouvernement a annoncé avoir pris les mesures d'urgence euh, suivantes. Il s'agit de l'élaboration d'un plan d'urgence et d'un plan de soutien. Sur la base de ces plans, il a été procédé au lancement de la distribution gratuite ciblée de 45 000 tonnes de vivres aux populations très vulnérables et la vente à prix modéré de 80 000 tonnes de vivres aux populations moyennement vulnérables. Le Conseil des ministres du 24 février 2022 a aussi décidé du renforcement des quantités de vivres initialement prévues par le plan de soutien de 5 000 tonnes à 15 000 tonnes pour le mois de mars et de 10 000 tonnes à 20 000 tonnes pour le mois d'avril. Le gouvernement nigérien a aussi annoncé avoir pris d'importantes mesures d'allègement fiscal afin de lutter contre la hausse des prix des produits alimentaires et alléger les souffrances des populations. Cette annonce a été faite le samedi 19 mars 2022 lors d'une rencontre entre le Premier ministre et les opérateurs économiques à Niamey. Elagi Yakubu Damaradi, président du syndicat des importateurs et sien. On a vu donc qu'il y a des mesures prises par le gouvernement qui concernent plus particulièrement le déficit céréalier faisant suite à la mauvaise campagne agro-silvo-pastorale passée, mais également il y a eu des mesures qui ont été récemment prises par le gouvernement pour atténuer justement donc cette cherté des produits de grande consommation au Niger. Quelles ont été les principales mesures prises annoncées par le gouvernement Donc, euh, je vous remercie pour cette question qui est très très pertinente mmh. et, <laughs> qui est un peu politique aussi. Donc, gouverner, c'est prévoir. Donc, euh, vous voyez, quand on prévoit quelque chose pendant qu'on est dans une crise, mmh. l'impact ne peut pas tout de suite être ressenti. C'est ça le problème. Parce que l'impact de ces mesures-là, est-ce que ça va être ressenti donc euh, par rapport au mois du Ramadan que nous envisageons dans moins d'une semaine. C'est là la difficulté. Donc Ça le gouvernement aurait pu mieux faire. Il s'en est pris un peu à retard. Ces décisions bien Il s'en est pris en retard. Parce que mhm. nous avons toujours prôné. Moi, j'ai toujours demandé à ce mhm. qu'il soit mis un comité ou une commission mhm. ou un organe, en fait, qui va essayer de gérer donc, c'est différentes activités, c'est différentes affaires. Parlons de ces problèmes un à un. Il s'agit notamment des problèmes des bateaux au niveau du territoire euh, béninois. C'est le premier point. C'était quoi le problème Bon, le problème du bateau, ça, il est réglé parce que, mhm. en fait, effectivement, euh, à chaque fois que nos bateaux euh, étaient en quai, mhm. donc en train de charger, donc une fois qu'une marchandise sensible du Bénin arrive au port, donc on retire notre bateau et on accostait le bateau béninois. Et c'est ce qui fait que nous accusons un retard mm. dans le déchargement. Et ça nous pénalise aussi. Mm. Parce que chaque journée passée en rade, en attendant de revenir à quai, nos opérateurs économiques, mm. en fait, euh, ils payent des redevances aux, affréteurs. Et c'est beaucoup d'argent. Ils nous ont parlé de l'ordre de 35 000 mm-hmm. dollars par jour. Mm-hmm. Et quelquefois, ça peut durer 20 jours, 15 jours. Donc, ça retarde euh, l'acheminement, transport des ça marchandises. Non mm-hmm. seulement ça impacte sur le délai, mais ça impacte aussi sur le coût, parce que c'est milliers de dollars là que l'opérateur économique paye. Mhm. Mais il va les récupérer sur la marchandise. Le Premier ministre avait annoncé qu'il y a eu donc euh, des négociations avec les autorités béninoises et que cela a été réglé est-ce le constat que vous avez oui, ça, nous confirmons cela, nous confirmons, mhm. parce que déjà, il y avait du, riz mhm. qui était inquiet, donc qui était retourné en rade. Maintenant, le riz est revenu. Une partie de ces riz se trouve déjà à Niamey. Mhm. Et c'est ce qui a fait que le prix aujourd'hui du riz a un peu reculé, ça a mhm. un peu baissé. Donc, d'une manière générale, les mesures qui ont été prises, ces mesures-là, comme je dis, il faut un peu du temps pour qu'on voit leur impact, puisque mhm. les mesures ne concernent pas le produit qui est déjà en magasin. Ça ne le concerne pas. Il y a ah. aussi la réduction des taxes sur certains produits. Ça ne comporte pas... Il s'agit notamment de l'huile, euh, du et Toutes les autres matières, le blé, qui sont déjà en stock qui sont déjà mhm. en stock ne sont pas concernés. Il y a eu une réduction de 17% sur le sucre, mhm. de la valeur de 17%. Mhm. Mais ça n'impacte pas le sucre qui est déjà en magasin. Qui est arrivé parce que la douane prélève lorsqu'on amène, alors que vous, vous avez déjà magasiné vos sucres. Mais c'est comme ça. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas de sucre qui non, ne sont pas encore arrivés? partie qui est, qui est en train d'arriver. Donc cette partie-là va être impactée. Mais puisque vous savez, le transport quand même euh, maritime, ou le transport de ces marchandises-là c'est aussi sur plusieurs conditions. Mhm. D'abord, vous commandez donc au niveau euh, de la société qui fabrique. La mhm. société, elle, prend un temps pour fabriquer et elle, prend un temps pour vous l'envoyer. Mhm. Le convoyage à mer, ça prend aussi un temps. Donc, une fois que c'est arrivé à mer, donc il y a aussi le transport euh, terrestre de, comment on dit même, du port de destination à notre pays. Ça aussi, ça prend un temps. Donc, c'est pour cela que ces mesures-là c'est vrai, elles sont très bien, sont la bienvenue, mais seulement elles ne peuvent pas impacter donc les produits qui sont déjà là, qui ont été soumis aux différentes euh, taxations avant la prise de ces mesures. À moins que l'État n'accepte quand même de faire une certaine concession par rapport à cela. Parce que l'État peut. Mmh. L'État peut évaluer et dire, bon, euh, par rapport à telle marchandise, nous savons qu'un tel fournisseur a importé une telle marchandise pendant, entre-temps et qu'il va avoir une petite réduction par rapport à cela. Mmh. mais apparemment, nous ne sommes pas dans cette logique c'est des difficultés qui nous reviennent d'année en année. Mhm. L'année passée, nous avons suivi presque la même situation. Donc, il faudrait vraiment qu'on crée une instance pérenne qui va essayer de gérer cette affaire-là qui mhm. va suivre et gérer cette affaire. Mhm. Parce que, voyez, regardez ce qui se passe ailleurs. Ça veut dire, si euh, on vous comprend bien, toutes ces mesures annoncées par le gouvernement n'ont pas de impact. Elle va euh, avoir un impact, mais qui ne sera pas suffisant. Puisqu'elles vont trouver qu'il y a déjà de la marchandise de la même nature. Puisque le gouvernement a indiqué qu'il y a près de 7 milliards de francs CFA que la DGI va perdre quand même par rapport aux produits euh, où il y a eu ces réductions. C'est-à-dire c'est mhm. très bien, c'est bien bon, mhm. mais je vous dis que dorénavant, il faudrait prendre ces mesures avant. Mhm. Voilà. Nous savons qu'il faut un certain temps pour, pour faire parvenir quand même euh, les marchandises de lieu de leur fabrication, donc au lieu de leur consommation ici au Niger. Mhm. Il faut en tenir compte. Merci beaucoup. Maman Nouri, président de l'Association de défense euh, des droits des consommateurs, ADDC Wadata, quelle réaction par rapport à toutes ces mesures euh, annoncées par le gouvernement C'est vrai, nous, avons envoyé une lettre d'invitation. Malheureusement, le ministère n'a pas répondu présent pour être donc euh, à ce débat. Mais quelle est votre réaction à votre niveau Merci beaucoup. C'est comme si c'est une chanson. Les, les autres pays vivent la réalité. Ils ont pris des décisions il ne faut pas que le Niger reste euh, à l'écart des, initiatives au niveau des autres États pour un peu pallier à cette flambée de prix des, produits de première nécessité. Et je crois que presque tous les États en zone moi CDAO ont pris en tout cas des options, soit d'allègement fiscal, soit des questions d'approvisionnement. Donc, l'un dans l'autre, des mesures qui peuvent alléger, en tout cas, le prix des produits de première nécessité et faciliter l'accès. Mhm. Mais euh, je crois que comme l'a dit euh, Amaraï, je crois que gouverner, se prévoit. Nous, notre rôle en tant qu'organisation de consommateurs, nous avons un rôle de veille, un rôle d'alerte, un rôle d'information et de sensibilisation. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait cette jeunesse de la charité de la vie. Mhm. Et à chaque fois, nous rappelons l'État à sa responsabilité. L'État à prendre des dispositions doit. Moi, je ne peux pas comprendre avec l'héritage, en tout cas des déficits céréaliers qu'on a, avec mm. l'héritage de la vérité qu'on a, et surtout le déficit céréalier 2021, il est beaucoup plus important que ce qu'on connaissait. Et en même temps, on engage des réformes. Et ces réformes-là, qui vont impacter sur les produits qui vont alimenter notre pays. Donc, je crois qu'il y a cette cette, en tout cas, cette vision qui n'a pas été faite. Et c'est ça, gouverner, c'est prévoir. Parce que quand il y a trop de fiscalité, souvent, ça crée des problèmes de disponibilité, ça crée des problèmes d'approvisionnement. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Nous avons parlé de la charité de bout en bout. En tout cas, l'année 2021, de bout en bout, avec vous les médias, on a parlé de la charité progressive de produits de, propos. Mais on a entendu le gouvernement annoncer une baisse des droits au niveau donc de ces taxes de 25% pour l'huile. La farine de blé a également bénéficié d'une baisse de 35% des droits. Enfin, nous avons également une baisse sur le sucre qui est de l'ordre de 17%. Toutes ces mesures, est-ce que vous pensez, comme euh, Damara Damaradi, que ce n'est pas suffisant C'est cela Ce n'est pas uniquement insuffisant, mais aussi, ça a été pris en retard. Ça a été pris en retard de telle sorte que l'impact qu'on souhaiterait avoir Mhm. en temps réel, on ne l'aura pas. Parce que celui qui a acheté un stock beaucoup plus cher, qui n'a pas bénéficié, en tout cas, euh, de cette remise fiscale, il ne va pas vendre en dessous de cette que s'il va rattraper autrement. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut voir. Mhm. La deuxième chose, ça sera encore une très bonne chose s'il y a un mécanisme de suivi et de veille pour l'application, en tout cas, euh, de ces mesures-là et surtout pour qu'il y ait impact sur le prix consommateur. Qu'est-ce que vous avez souhaité à ce niveau Est-ce à dire que vous avez souhaité qu'il faut des fixations de prix par le gouvernement, c'est cela Mais bien sûr, c'est possible de le faire. C'est bien possible. Tout celui qui a bénéficié de cette remise fiscale, on doit connaître, mais la marchandise, elle lui est revenue à combien Là, il faut faire le point de ceux qui ont déjà, euh, euh, en tout cas, un stock suffisant, qui n'ont pas fait de commande et qui ne peuvent pas bénéficier, en tout cas, immédiatement de ça comment faire un report sur d'autres commandes, comment faire un report sur d'autres commandes. Donc là, il y a un travail à faire. Mhm. Et le travail, je crois que c'est entre la Chambre de commerce, les syndicats sectoriels du commerce et puis l'État. Et je crois qu'ils doivent continuer à travailler pour faire en sorte que celui qui a un stock immédiat qui n'a pas bénéficié de cette remise-là, alors comment faire en sorte que pour que l'avenir, là, eh, en tout cas, il puisse bénéficier afin qu'il puisse répercuter tout de suite en tout cas le prix, euh, la décision du gouvernement. Mhm. Et en ce qui concerne la vente à prix modéré et la distribution, de, euh, en tout cas la, la, distribution gratuite, c'est vrai, ça a eu un impact sur, en tout cas, la stabilisation du prix sur le marché. Mhm. Je prends un exemple, le maïs. Le sac a atteint jusqu'à 30 000 francs mhm. ici en année. Mais du coup, avec cette annonce, c'est devenu, c'est vrai, il y a l'approvisionnement en tout cas les opérateurs économiques ont fait. C'est devenu à 28 500 francs. Alors, il y a eu cette diminution de 1500. Ce n'est pas euh, beaucoup, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Alagi Yakoubou Damagadi, président du syndicat des importateurs et exportateurs euh, du Niger le sien. Ces mesures euh, ont-elles déjà commencé à contribuer à la diminution des prix des produits de grande consommation Le sucre, par exemple, est-ce qu'on peut dire que le prix a déjà un peu baissé par rapport euh, aux semaines euh, précédentes Bon, par rapport au sucre, je ne peux pas me prononcer. Mhm. mais je sais que par rapport à, au riz, mhm. ça c'est évident que au vu, donc puisqu'il y avait déjà Mhm. Euh, un bateau qui était, qui était, qui était à, à quai, mhm. puis il est retourné à rade. Maintenant, il est revenu à quai mhm. et le produit est même rentré à Niamey. Donc, lui, il a dû bénéficier de cette mesure. Et ce qui est sûr, c'est que ça a impacté le prix. Voilà. Mais pour les autres, euh, les autres darés, ça, bombe. On va sûrement qu'on va attendre. ça, le riz, c'est parce que les bateaux étaient donc à oui, parce que le riz ne fait pas partie des produits concernés par, euh, la les réductions de taxes. Ah oui, parce que lui, le riz, en fait, en fait, il donne des taxes, il donne nos armées par mhm. rapport à la TVA. Mhm. Il est carrément désarmé. Mais quand même, vous savez, un produit, même euh, s'il n'est pas impacté par une mesure euh, douanière, mhm. donc une fois que comment on dit, il manque, il arrive à manquer sur le territoire, donc son, prix quand même grimpe. Mm. C'est la, disponibilité l'offre la demande. la demande. Voilà. plus euh, le produit est mm. voilà, plus c'est disponible, plus le, prix est régulé. Mm-hmm. Voilà. Donc vous savez en réalité. Et les autres produits de façon générale, est-ce qu'on peut s'attendre à une réduction des prix avant, par exemple, le Ramadan qui débute euh, début avril vous, savez quoi qu'on dise, l'opérateur économique nigérien, c'est quand même quelqu'un qui, en dehors, après l'État, mm. c'est quelqu'un qui qui a tenu quand même les souffrances de la population. Mm. Malgré qu'on dise qu'il est véreux, qu'il est ceci, il est cela, mais nous contribuons, nous contribuons d'une manière. Regardez d'abord, nous, la plupart d'entre nous, donc ils sortent leur dîme la zakat mhm. pendant ce temps-là, pendant cette période-là. Mhm. Donc c'est une partie de leur richesse mhm. qu'ils prennent et qu'ils mettent sur le marché et qu'ils donnent à en fait, à, la population, à leurs parents, à leurs voisins, à tous ceux qui sont concernés par, euh, par cette aumône-là. Et vous savez bien, notre société, comment elle est. Donc il y a des gens qui font juste, en dehors de, euh, de la dîme, qui, donnent qui font l'aumône. Et il y a des gens qui, comme l'État, font un peu la vente au prix, à prix modéré. Mhm. C'est vrai que ce n'est pas des quantités énormes que les gens se mettent, mhm. mais il y en a qui mettent quand même à disposition 30, 40 tonnes dans des villages, mhm. chez eux. Voilà. les uns le font juste euh, pour, euh, pour des besoins de politique, d'autres le font euh, vraiment pour, parce qu'ils sont pour des raisons religieuses. Vous savez bien. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut faire, euh, pour arriver à trouver des solutions immédiates euh, à ce problème de vie chère qu'on a en ce moment Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous attendez de plus en dehors de ce qui est fait déjà Vous savez, à chaque fois, eh, face à ces situations, il y a toujours deux mesures à prendre. Mhm. Il y a toujours deux situations, deux situations. Il y a des situations qui sont eh, conjoncturelles. Mhm. Il y a des situations qui sont structurelles. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que mhm. l'État est en train de faire aujourd'hui, c'est pour régler le problème donc de conjoncture. Mhm. C'est des problèmes conjoncturels. C'est des problèmes qui sont dus à tous les facteurs que nous avons énumérés. Mhm. Voilà. Donc l'État est en train de faire son mieux pour pouvoir pallier à cela. Mais cela ne suffira pas. Mhm. Il ne suffira pas. Il faut aller vraiment à la, dans la structure, voir qu'est-ce qui cause ce problème-là. Et nous, nous avons dit que tant que nous serons tributeurs donc de l'extérieur par rapport même à ce que nous consommons, nous allons toujours euh, euh, être dans des situations pareilles. Donc il faudrait qu'on crée les conditions. La plupart des marchandises viennent de l'extérieur. C'est sûr et certain. Alors qu'il y en a que nous pouvons produire. L'huile, la farine, même le, blé. le, maïs, même le, blé, cette année, il y a un déficit céréalier, donc ça veut dire que Voyez, qu'il des problèmes. Il faut qu'il y ait une culture, euh, comment on dit même, une politique euh, agricole hum. pour pousser les gens vers l'agro-business. Hum. Il faut que l'État commence à songer, à cela. Hum. Nous, nous avons toujours appelé l'État je ne sais pas, à créer une structure. Même si c'est au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère euh, du Commerce ou autour de la Chambre de Commerce, mhm. vraiment créer une structure avec des acteurs qui peuvent vraiment donner des orientations et qui peuvent aider donc à orienter l'État vers une production nationale abondante. Mhm. Ça veut dire qu'il faut accroître euh, la production nationale en termes... Il faut d'abord créer les conditions. Mm. Parce que vous savez, tant que l'État ne crée pas les conditions, ça va être difficile. Parce mm. qu'aujourd'hui, même si vous, là... C'est quoi ces conditions, par exemple Elles sont multiples. Mm-hmm. D'abord, même l'acquisition de, la terre. Mm-hmm. Si aujourd'hui, vous voulez acquérir de la terre, donc pour pouvoir produire, vous payez des taxes à l'État. Mm-hmm. Alors, comme si vous voulez créer pour, euh, vous, comme si vous voulez acheter la terre pour, euh, comment on dit même, un terrain pour habiter ou pour faire un magasin. Vous payez les, taxes à l'État. Il faudrait qu'on réfléchisse comme on appelle tous les acteurs. Tous les acteurs, ils sont là. Mhm. Il suffit seulement de les identifier, mhm. de les appeler, de les mettre autour d'une table et puis de discuter. Mhm. Dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Et maintenant, chacun, en ce qui le concerne, va dire, en fait, euh, euh, le problème qu'il a et éventuellement donner l'ébauche de solutions à ce niveau. Donc, j'ai parlé de la terre. Aujourd'hui, si moi, je peux acheter, par exemple, 100 euh, hectares, donc ces 100 hectares-là, si l'État peut accepter, parce que je vais aller dans la production, euh, agricole. Mhm. Donc baisser un peu les, les, les, les taxes qu'il va prendre mhm. pour les récupérer après. Il y a aussi l'accès aux intrants. Il y a les, il y a les intrants. Nous il y a avons nous avons. Il y a les machines aussi. Les machines, c'est-à-dire euh, les tracteurs et autres. En réalité, c'est toute une politique. Mhm c'est une politique agricole qu'il faut mener. Parce qu'il faudrait qu'on cesse de nous alarmer. Mhm. Voilà. Il faut Ça, c'est pour accroître la production agricole. Et c'est important de le faire, c'est vrai. mais ça, c'est à moyen ou à long terme, mais et à court terme par ah. rapport euh, à ce déficit déjà enregistré. Je vous dis que par rapport à, ces... Nous avons quand même environ huit mois à parcourir avant la prochaine euh, disponibilité des produits de la saison d'hivernage. Moi, je pense qu'il faut, à partir d'un certain temps, mhm. donc évaluer l'impact donc des mesures qui ont été prises par l'État mm. et voir est-ce que il n'est pas nécessaire pour l'État mm. donc d'aller d'approfondir par rapport à ces, à ces, impacts, à ces réformes-là. Mm-hmm. Donc aller vraiment plus en profondeur, donc euh, désarmer un certain nombre de produits, mm-hmm. continuer à désarmer, continuer à donner des postes de facilité, inciter même nos opérateurs économiques vraiment à aller s'approvisionner à l'extérieur. Mm-hmm créer les conditions. Parce que vous savez, malheureusement, tout passe par l'État. Moi, mm. aujourd'hui, je suis, euh, je suis arrivé euh, vraiment à une situation où je sais que tant que l'État n'accepte pas, tant que l'État ne comprend pas, tant que mm-hmm. l'État ne s'oriente pas, c'est pas possible. Même les difficultés à l'extérieur, parfois il faut que l'État intervienne pour qu'on ait des solutions. Vous avez vu avec le problème le cas au Bénin, bien avec sûr. le problème de Bénin. Voilà. Mais il a fallu que l'État intervienne. Et mm-hmm. en un jour, c'était réglé. Pour que les bateaux soient à quai. Merci beaucoup. Nous avons également en ligne euh, Maman Nouri, qui est le président de l'Association de défense des droits des consommateurs, ADDC Wadata. Président, comment arriver à remédier efficacement à cette flambée de prix des produits de grande consommation en cette période Je crois que Damaradi a effleuré euh, beaucoup de, en cas, de types de solutions. Il faut que nous changeons, en tout cas, de comportement. On ne peut pas être un pays importateur net de ce qu'on mange. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être, être un pays dépendant des autres, alors qu'on a toutes les potentialités. Toutes les potentialités. Je crois que ce n'est pas pour rien sur des questions, en tout cas de production agricole, que les pays à côté là nous dépassent. Ici à côté le Burkina Faso, le, euh, Bénin, ils nous dépassent en termes d'engagement politique. Il qu'il faut avoir un courage politique net pour réformer notre système agricole. Et la réforme, elle est non seulement réglementaire, mais elle aussi elle est institutionnelle. Il faut qu'on se dise une chose. C'est vrai, nous nous appartenons à une communauté, en tout cas de destin qui est, qui le moi, qui est, qui, aussi la CDO. Mais notre réalité, elle est telle que nous sommes un pays de l'interland. Et il faut que les pays de l'interland, entre eux-mêmes, s'entendent sur certaines choses. C'est certaines choses, certainement par rapport à la sécurité alimentaire. Le problème de ne pas avoir de débouchés sur mer, c'est un grand problème. Et malheureusement, bon, on sent qu'il n'y a pas une certaine concertation entre les pays de l'internat sur des questions réelles de sécurité alimentaire. Mm-hmm. Sur des questions réelles d'accès, en tout cas, à certains produits de première nécessité qui ne sont pas forcément liés à la, donc, moi, je ne dirais pas, à court terme, mais à court, moyen et long terme, je crois qu'il faut prendre des On a entendu l'Union européenne qui a annoncé un appui de 43 millions d'euros, soit environ 28 milliards de francs CFA pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Que faut-il attendre de tous les partenaires techniques et financiers du Niger en cette période? Est-ce que vous avez des attentes particulières à leur endroit? Ça fait combien d'années que l'Union européenne nous accompagne? Ça fait combien d'années les partenaires techniques et financiers nous accompagnent? Est-ce qu'on va vivre éternellement sur, en tout cas, euh, le ballon d'oxygène des de, partenaires techniques et financiers Est-ce que cet, accompagnement-là ne peut pas servir à, en tout cas, une production Est-ce que ça ne peut pas servir à emblaver des terres le long du plan Niger pour produire du maïs, pour produire du riz, pour produire du blé C'est vrai, c'est bon, mais il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on crée les conditions que cette aide-là va nous aider à être autosuffisants. Mhm. Président, pour terminer, c'est de nous dire, selon vous, les vraies attentes des consommateurs face à cette situation de cherté des produits de grande consommation à quelques jours du début du mois béni de Ramadan. Ah, nous, nos attentes, c'est l'impact. Hein. l'impact. l'impact, quand on va sur l'huile-là, par rapport à, la baisse de 25%, on se pose la question, mais c'est quoi l'impact sur les litres et c'est quoi l'impact sur le petit détail là Est-ce que désormais le consommateur aura avec 50 francs sa petite bouteille là, sa petite bouteille là de, de, 50 francs Donc nous, c'est ça notre souci. Est-ce que cette diminution, ça va permettre au moins d'avoir 50 francs d'huile Donc c'est ça la répercussion. Est-ce que cette baisse là sur la farine de blé, ça va permettre en tout cas à celui qui peut acheter le déni de kilo peut à 200 francs, peut-être à, je ne sais pas, est-ce que ça va lui permettre quand même de, de, satisfaire ses besoins Est-ce que le prix du pain va revenir à, sa, à, à son prix initial ou bien on aura une diminution c'est tout ça là qu'on attend. Merci beaucoup, Président. l'âge Yakobo Damaradi, justement par rapport à ces différentes euh, inquiétudes, quelles doivent être les attitudes à promouvoir par les commerçants en cette période euh, Parce que la crainte a été plusieurs fois dite euh, à ce niveau, ce qu'on constate que quand les gens demandent beaucoup le produit, les commerçants font en sorte qu'il y ait flambée de prix. Donc, M. Monsieur Michel, merci. Mhm. Donc, comme je le disais tantôt, hein, je disais que euh, dans tous les cas, en dehors de ces mesures, euh, l'opérateur économique, le commerçant lui-même, dans notre plus grande majorité, mhm. en fait, euh, nous posons des actes qui font en sorte que ce enregistrement du prix-là, mhm. vraiment, que son impact diminue. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers la dîme, mhm. l'impôt que nous donnons sur notre, sur notre richesse, sur nos revenus, donc qui est de quand même 25%, euh, on distribue à la population. Mhm. Ça, c'est l'aspect religieux de la chose. Religieux. c'est <laughs> important. Oui, c'est important, on le sait, pour la société, puisque beaucoup bénéficient de ça. Mais le citoyen moyen qui a envie d'acheter ses produits de grande consommation à leur égard. Euh, en fait, vous savez, mhm. il faut être réaliste. Mhm. Donc, euh, l'opérateur économique, lui, quand il s'agit de, faire une diminution, il ne peut diminuer que sur sa marge bénéficiaire. C'est en fonction de ce qu'il va gagner. S'il avait envisagé par exemple, de gagner 1000 francs sur un produit, mhm. donc il peut se contenter de 500 francs. Et mhm. vous savez, chez nous, on confond. Parce que c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat que nous nous appelons bénéfice. Il y a d'autres charges, les charges d'électricité, il y a les charges que vous payez. Donc il y a un prix de revenu en quelque sorte à ce niveau. Mais c'est ça. Ça veut dire quand vous achetez le produit avant de l'amener dans votre boutique. Même après l'avoir amené dans votre boutique. Il y a un prix de revenu. Après, l'avoir. C'est-à-dire euh, le transport. Tout ça. Après avoir fait tout ça là, mhm. vous mettez une marge bénéficiaire. Mhm. Vous dites je prends 10 000 francs sur la marchandise. Mhm. Mais en réalité c'est 10 000 francs là. Ce n'est pas un bénéfice que vous allez mettre dans votre poche. Mhm. C'est 10 000 francs là, donc vous allez payer quand même euh, un certain nombre de taxes à l'État par rapport à cela. Mhm. Vous allez payer euh, donc la charge de, donc de, de votre lieu d'activité. Mhm. Si c'est une maison que vous louez, donc vous allez payer par mois. Sur, sur l'année, vous voyez ce que ça va faire. Vous allez payer l'électricité. Vous savez que nous, on a l'habitude d'électricité on a l'habitude de payer l'électricité jusqu'à 500 à 600 000 francs par mois. Et tout ça, là, ça, on, le trouve où C'est par rapport à cette différence de prix mmh. que nous nous appelons marge. Donc en réalité, ce n'est pas la marge réelle. Donc c'est pour cela que si les gens ne font pas attention, quand ils vont diminuer, ils vont, ils peuvent rentrer même dans leur fonds. Mmh. C'est ça le problème. Hein? Et vous avez des, agents avec qui vous travaillez. Tous ces agents-là, vous les payez, donc sur la base de cette marge-là que vous, que vous engrangez. Mmh. Et en fin d'année, vous payez encore, euh, comment on dit même, euh, euh, en fait, l'impôt sur le revenu, euh, sur le bénéfice à l'État, mmh. qui est aussi important. Donc, vous voyez, donc vraiment, moi je pense que euh, étant musulman, mmh. et, puis cette période, elle est une période euh, où on demande quand même aux gens pour avoir le pardon, mmh. vraiment de se donner les bonnes, œuvres. Voilà, moi je pense que les gens ils vont eux aussi contribuer de leur façon quand même, à leur manière, donc pour pouvoir un peu rabaisser le prix. Merci beaucoup. Nous allons poser la dernière question au président Maman Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs, DDC Data. Président, quel est votre dernier appel à l'endroit de ces euh, commerçants dans le contexte euh, expliqué justement par euh, le président du syndicat des importateurs et exportateurs du Niger, Elhaji Yakoubou Damaradi, un contexte difficile pour eux-mêmes, il a expliqué. Merci beaucoup. En tout cas, l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout que qu'on se saisit l'opportunité du mois de Ramadan pour faire en sorte qu'il y ait d'abord la disponibilité des produits de consommation. Ça, c'est de, la deuxième chose, c'est surtout informer, sensibiliser les syndicats sectoriels, surtout les syndicats des détails. Parce que une chose est vraie, l'État a fait des efforts, et peut-être les importateurs vont répercuter sur la vente en gros des migros, ben les détaillants probablement risquent de bloquer, comme d'habitude. Et je crois que c'est un devoir, non seulement de la Chambre de commerce, mais aussi des différents grands syndicats d'informer et de sensibiliser les petits syndicats qui sont avec eux. Et c'est surtout ça qui va permettre peut-être d'avoir une répercussion de l'application des mesures prises par le gouvernement et même une répercussion des baisses pas conditionné à, en tout cas, à, la décision de l'État de ce que certains importateurs vont faire à l'occasion du mois de Ramadan pour qui mhm. qu'il une bonne répercussion. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a des opérateurs, en tout cas économiques, des importateurs qui cassent le prix eux-mêmes, mhm. sans faire de leur demande. Et d'habitude, chaque, chaque année, ils faisons cette sortie. C'est mhm. des gens qui s'engagent à diminuer pour bénéficier Merci donc à vous, Président. On vous a bien compris. Nous sommes euh, au terme de ce forum euh, du studio Kalangou qui a eu pour thème flambée des prix des produits de première nécessité au Niger, comment y remédier. Nous retenons que la flambée des prix des produits de grande consommation est une euh, réalité au Niger. Le gouvernement a annoncé le 19 mars dernier avoir pris d'importantes mesures d'allègement fiscal afin de lutter contre la hausse des prix de ses produits alimentaires et alléger ainsi les souffrances des populations. Mais selon nos invités, ces mesures auraient dû être prises plusieurs mois avant l'arrivée du mois béni de Ramadan pour le bien-être de la population. Nous sommes donc euh, au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions en compagnie de monsieur Mamanouri, président de l'association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata et de Elhaji Yakubu Damaradi. Il est le président du syndicat des importateurs et exportateurs euh, du Niger euh, sien. Nous avons également invité le ministère euh, du Commerce, mais ce ministère n'a pas répondu présent et pouvoir expliquer justement toutes ces mesures annoncées par le gouvernement, alors même que nous avons envoyé une lettre d'invitation. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji à la technique mustafa Yuba. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.